L'actualité cette semaine a été marquée tout d'abord par la vente des migrants africains comme esclaves à Libye. Suite à ce acte, l'État du Niger a convoqué l'ambassadeur de Libye pour lui faire part de l'indignation du président Mahamadou Issoufou. Aussi, le président nigérien a même demandé à ce que le sujet soit à l'ordre du jour du sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra du 29 au 30 novembre 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Autre sujet phare de la semaine, c'est la vacance du poste du président de la Haute Cour de justice occupée par Karig Mahamadou nommé ministre des Transports et son remplacement par son suppléant. Mardi 21 novembre, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui constate cela. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a constaté la vacance du poste de député occupé par Karigou Mahamadou et dit qu'il est remplacé par son suppléant Abdi Krim Moulay Zeidan. Le 24 novembre 2017, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a rendu son verdict dans l'affaire des trois acteurs de la société civile nigérienne d'Actis Niger qui sont détenus après la marche du 29 octobre passé. Abbas Abdulaziz Tanko, Abdoulaye Harouna et Jubo Issa ont été déclarés non coupables. Pour rappel, Abbas Abdulaziz Tanko et ses camarades été poursuivi pour participation à une manifestation interdite attroupement armé, vol et complicité de vol. Le groupe de presse privé Bonferré a été victime d'un acte de vandalisme. En effet, mardi 21 novembre, trois véhicules du dit groupe ont été saccagés par un individu non identifié aux environs de 3 heures du matin, a déclaré Oumoro Moukayla, gardien des lieux en région notamment dans la commune rurale de Maizirgi, département de Tessawa, région de Maradi, une bagarre a opposé agriculteurs et éleveurs bagarre qui s'est soldée par la mort de trois personnes dont le chef du village de Déby, localité située à 12 km au nord-est de la commune rurale de Maizirgi. Enfin, la dixième édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM s'est ouverte vendredi 24 novembre 2017. Le SAFEM, qui durera dix jours, a pour objectif de promouvoir la consommation des produits artisanaux par la femme et pour la femme, mais aussi de doter le Niger d'un cadre de promotion des produits artisanaux africains mettant l'accent sur la femme. Il regroupe également 35 pays.